Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de du like, merci de des abonnés, merci également des baisser les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager bien d'informations. Bokki Sénégalais, fait pour les maintenir, 14 régions du Sénégal, à Douna Wargal Kepoa, Diaspora, Nyenglen di Djadjefel, Nyenek également, ci la l'hôpital et ci Kerite de Febar, Yann Sun Borom Sen Bob Nyen Werk Jam, Nyenek ci Kassou Nyen Gen Fategwar ci Yonou Deg, Nyi Dedou Aduna, Sun Borom Khaled Adjene Fidaw City, Yéhé on avance ensemble, on la magie de eSport TV Gay, également la famille s'agrandit jour en jour et également l'OL gagne également li nga donc actualité on va parler qui nga donc qui se rapproche de plus en plus de l'équipe nationale ki nga xam blessé et peut-être forfait Moussa Niakhat, euh, Jonathan Jacob Ismaël Jacob plutôt ak qui nga xam moi di aussi incertain par rapport à blessure l'OL loolu la il daal ah. a des record mais aussi proche et loin d'un quatrième trophée ou également huitième sacre de City ou vingtième de Liverpool également Gérard va-t-il jouer donc euh, aujourd'hui hein, le Vatou, par rapport à ce match bi il faut que Liverpool d'or Aston Villa daal qui est Manchester City pour Liverpool d'aller di championnat il y a bi yéen kay bi y stade une na City et Liverpool une finale ébouriffante oh a un final la ñu bind euh, bien entendu ak qui nga le donc moi donc qui est à un pas de remporter le championnat d'Italie à Scudetto à qui nga un donc qui est De Laurentiis mi ubbi porte yi ngir ko lii daal di fay jógee hein, par rapport à VAR de remercier par rapport à la confiance la famille s'agrandit de jour en on vous remercie parce que Taïfi famille et vous me le prouvez de jour en jour. Mais bonne ñu gars chaque fois le plus important lien TikTok bi également TikTok eSport TV 1. TV 1 gars yi ngeen mën fa dugg jot chronique également yenn analyse yoo xam dinañ ko fa def mu gatt ngeen mën koy partager sans oublier également la page Instagram e-sport Inter gars pour des nouveautés qui vont bientôt arriver agrandir la famille hein c'est pas simplement YouTube il y a yu live, a ñëw live yeeg yooyu ngeen di laaj dinañ ko gëna défar il ngeen gën ci gis sen bop inshallah et on va commencer l'actualité gars également Mamadou Lamine Camara de RS Berkane mi nga xam jënd Coupe félicitations à ce jeune hein, sénégalais bi nga aujourd'hui c'est un jeune international sénégalais qui fait de bonnes choses du côté bi nga RS Berkan, Berkane avons nga donc cette finale but à 0, les Pirates coupe malheureusement également pour ce show de Omar Daf nous avons ki nga xam Moy, Joseph Lopi et tout éliminé barrage pour monter Ligue 1 Nous avons série de tirs au but comme on dit but malheureusement mais du courage pour Omar Daf et ses joueurs c'est l'image à retenir hein. Idrissa euh, soutenu par les ultras du Paris Saint-Germain ils demandent demoon dem des Princes hein. taxaw ci bind 27 Gana rek Gana kese hein, Gana rek pour lui dire que on est tous derrière toi et Gana yi nga xam ultra parisien neen gars yi dañuy acharné ci mais waxul dara lu deful dara lu il a toujours été exemplaire Ángel Di Maria bi nga xam ne koy rendre hommage Di Maria gars meilleur euh, passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 111 passes. ça fait de souci, tu manges du top. Hein. Mustafa Daleb, top aussi en route. Kylian Mbappé quatrième position. Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Jérôme Roten, Neymar, entre autres. Et d'honneur, Béguis qu'est-ce qu'on a ah, waxon Real dafa defal ñi nga moy Betis et d'honneur y a Betis également defal len et d'honneur parce que Betis dafa le trophée y a Real jël championnat L'ONEC nek également image vous Raphaël Bohamne, retenir nañ ko du côté également de Santiago Bernabeu, mais aussi un hein, hommage bi rendre image bi quel d'autre qui Marcelo qui quitte le Real de Madrid gagné par la grande porte Marcelo le joueur le plus titré du côté de la Casa Blanca, la jëm côté après il ci indi ay wax lañ ci Marcelo la jëm mais aussi Isco mi nga il a aussi euh, mis fin à son parcours fa nga donc du côté de Real Madrid Isco mi nga xam dafay mais il va rester en Espagne on parle de lui avec incessant hein, avec incessance du côté de fi nga xam nag moom euh, Fofu du Betis euh, Séville Isco mais ki nga aussi ah kenn du ko fàtte aussi mooy Digno du côté de Manchester City moom il n'a pas voulu prolonger son contrat wax nañ ko mu toog staff mu instant yi nekkul ci il veut retourner au Brésil avec sa famille bëgg il va peut-être terminer sa carrière au Brésil bala moo du côté de Manchester euh, City car euh, Gundogan Gundogan également dégg li nga Pep Guardiola a il ne veut pas qu'il parte bëgg mu mais Gundogan amul li nga xam proposition contrat boo ne euh, à part 2023 bi nga xam fa contrat bi jeex Manchester City proposé na ko aussi il a envie d'aller voir ailleurs dem feneen aussi nan lay évoluer parce qu'il va être titulaire et du côté également de Leeds Leeds nga c'est presque assuré presque hein, mais il y a un changement mën parce que également mathématiquement Chelsea plutôt euh, Leeds n'est pas éliminé mais Leeds vous fait quelques ko qui kii le salaire de Watch, le valeur marchande am 25 25 millions d'euros au lieu de 50 millions d'euros, et Barcelone moo ne parle pour nous. Darwin Nunez même selon les informations Manchester United ko offre 80 millions d'euros pour nous daal mais Darwin Nunez a refusé parce que Darwin Nunez a ah, euh, l'option option jouer jouer le club de la Ligue des Champions Paris Saint-Germain daal mo gën a actuellement parce que Paris Saint-Germain daal ñom dañu bëgg a débarrasser wu ci Mauro Icardi et que Darwin Nunez dañu bëgg indi Sadio Mané également qui fait parler hein du côté de euh, ñi nga xamné moy FC Bayern ñom ñi ngi attiser polémique bi né nañ fi mu ne nii kii di Sadio Mané fas yéene ñëw fi nga xamné moy donc Bayern mais prolongé du côté de Liverpool parce que Paris Saint-Germain moo intéressé ak obliñ euh, ko jox projet bi ak xaalis bi fa nek mais en tout cas rien n'est sûr li nga xamné également aussi ñu ngi koy wax du côté de l'Italie nga xamné nak moy Gazzetta dello Sport ñom avons wax hein donc c'est pas confirmé que ki nga xamné moy donc qui di Pogba dafa refuser offre Paris Saint-Germain dafay dem Juventus signé fa trois ans avec un contrat annuel de 10 millions lolou lañu wax ki nga xamné nak moy Jean-Pierre Papin la légende euh, du côté de Marseille moom dafay dellu aussi pour nous, gérer li nga xamné moy responsabilité du côté des petites catégories ci jeunes yi moom mi nga xamné nak mi nga entraîné ci ben club ndaw donc qui di euh, Papin donc bi nga xam dafay dellu aussi selon les informations du côté du staff de Marseille notamment dans la petite catégorie Lucien Favre mi nga xamné nak nag na Borussia Dortmund ay jamono donc actuellement mom mu lañu wax né moy le successeur également de Marco Rose Marco Rose mais nous parce que le résultat yu donc Lucien Favre est le grand grandissime favori pour venir euh, s'asseoir encore sur le banc du Borussia Dortmund et pendant ce temps qui est Youssouf Sabali Sabali qualifié pour l'Europa League dans deux ils ont tenu en échec le Real de Madrid 0 but partout qui euh, dit Sabali jouer un match il a fait un match correct et exceptionnel Mom, donc il va jouer l'année prochaine l'Europa League mais aussi la personne qui attend du gars vendredi prochain le Alice Cissé liste va sortir sa liste pour désigner les joueurs qui vont jouer la double confrontation Dieu me ci nga éliminatoire Coupe d'Afrique B également contre le Bénin. un ben, match au niveau du stade Abdoulaye Wad. Mais à C'est également, Gaï qui est attendu parce que qui a ramené moi Ahmadou Bambadien est blessé. Demo Bambadien, donc il est quasiment, entre guillemets, quasiment forfait qui m'a subi de Waragno parce que la femme blessure. au niveau des jambiers, qui au niveau du, entre, des entraînements. beaucoup qui les cibles joué dernière journée, bout Marseille. Donc Bambadien qui s'est blessé. Donc quand on dit que Bambadien s'est blessé, il y a une porte, il y a parce qu'aujourd'hui hein, également, comme on dit, hein, donc euh, il faudrait que après staff médical bi wax durée d'indisponibilité est-ce que dañ koy jël par mesure de précaution bañ mu jouer match bi Kessé wala quasiment il ne pourra pas assister à la double confrontation en tout cas si yone le lañu jëm mais aussi qui ngeen di gis donc il est en train de s'approcher sûrement et pas lentement mais rapidement même muy Iliman Ndiaye gars yi ñuy wax naan Iliman Ndiaye def na ci vidéo ñun bañ defee Iliman Ndiaye vidéo yag na lool ku yag ci chaîne bi xam nga ne def na ci vidéo donc Iliman Ndiaye aujourd'hui mi nga xamné même club am au niveau de Sheffield il veut lui proposer une prolongation de contrat Iliman Ndiaye mi nga xamné également il est courtisé par des clubs du côté yi nga xamné moy donc Premier League ak club yi nga xamné dañuy jamono ji Iliman Ndiaye donc qui sera euh, une bonne recrue au niveau de l'équipe nationale du Sénégal parce que dina permettre également si bien entendu Bamba est forfait mu ñeu même même si Bamba n'est pas forfait je pense qu'aujourd'hui Iliman Ndiaye doit pouvoir rejoindre l'équipe nationale du Sénégal faire également preuve de son talent parce que nous koy et aujourd'hui beaucoup de joueurs joueur publiquement il a toujours affirmé que il est 1000 sénégalais et que tay lu mu que nek nekk pas papam sénégalais et il est sénégalais il la diar diar fi nga Dakar et tout donc m'a dit qui sera une très très bonne pioche pour l'équipe nationale du Sénégal mais également Moussa Niakhaté a également qui est pressenti parce que aujourd'hui Abdou Diallo xam ngeen ko dafa phase de reprise hein. Abdou Diallo mi nga le jóge et qu'aujourd'hui également il y a Abdoulaye Seck qui quand même mais au vu de la situation également avec la l'année euh, exceptionnelle bi Moussa Niarad Moussa qui a pris sa décision et sa décision à 90% c'est le Sénégal donc lui également il pourrait venir renforcer l'équipe de Aliou Cissé également soit Abou ñëw ak Abdou Diallo même si fait Abdou Diallo il est blessé donc dafa nekk phase de reprise mais jouer gul boobu ba wala aussi ñu gagnons Abdoulaye Seck indi Abdou Diallo à ki Moussa Niakhaté wala bon aussi nous ah, ñu Abdou Diallo indi ki nga Moussa Niakhaté en tout cas cette question me connais Moussa Niakhar euh, les petites listes de Aliou Cissé et que Cissé aujourd'hui également au vu de la situation notamment ak aussi équipe yi nga équipe ce sera l'occasion d'appeler les joueurs qui veulent porter le maillot national qui veulent porter le drapeau national qui veulent représenter dignement et fièrement le Sénégal donc Moussa Niakhar bokk na sans oublier également Malang Sarr waxoon aussi Malang Sarr a donné son accord de principe ça c'est clair il a donné son accord de principe pour jouer avec l'équipe nationale du Sénégal donc est-ce qu'Aliou Cissé va en profiter pour l'appeler xamuñu parce qu'aujourd'hui, hein, euh, comme on dit, défense B aussi, on est, euh, comme on dit, blindé sur cette partie, mais aussi Malang Sarr qui peut beaucoup apporter, sans oublier Nabi Sarr, mais aussi en championship, il fait de bonnes choses de fils de King Hamne, donc au donc euh, Boubacar Sarr est et aussi hein, Ismaël Jacob aussi moom gis ngeen ko récemment moom conférence de presse la ko waxee ne jouer pour l'équipe nationale du Sénégal ce serait une fierté et que gis ngeen actuellement aussi Kili di Saliou dafa nekkoon ci blessure ci dernière journée yi nga xam mo nek championnat Ligue 2 est-ce qu'il est carrément rétabli pour ñëwaat Saliou 6 on ne sait pas mais quand même les plages vont coûter cher mais également un amé jour bu ci euh, Ismaël Jacob ce serait très très bien pour l'équipe nationale du Sénégal parce qu'Ismaël Jacob également c'est un joueur de xam il est exceptionnellement euh, top hein c'est un joueur de xam mi ngi actuellement Monaco mi gagne place de plus en plus Guys, c'était les informations que je voulais vous donner pour le début de la journée Dur leen ci seen xalaat comment vous voyez la liste d'aller c'est après nañ joxe détail buñ ci amé lu gën di like woy di abonner. à tout à l'heure Dia ngène. Dieu.